Merci. Tout d'abord, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, euh, remercier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa remercier nos parents. Mais vraiment, on est heureux aujourd'hui de fouler le sol de Linger, mais particulièrement le sol du lycée al Alburindiaï. Nous avons fait nos beaux jours ici à Linger. Nous avons obtenu, nous avons fait nos premiers pas à Linger. Nous avons obtenu le BFM à l'époque pour ensuite aller à Dakar. Mais aujourd'hui, c'est un pèlerinage. Nous sommes de retour à nos sources, vraiment pour fêter les jeunes, euh, le corps professoral, l'encadrement, les parents, vraiment participer à la fête pour vraiment la réussite. En tout cas, encourager les jeunes à aller de l'avant. Vraiment, c'est une journée de consécration. On est vraiment fiers de revenir. Je remercie tout d'abord euh, le, FOSCO, c'est-à-dire le gouvernement scolaire, qui a, qui, porté son choix sur ma modeste personne, en, chef au premier loge, Madame le Proviseur, qui a su encadrer les élèves jusqu'à aboutir à ce travail de, de sanctions positives aux élèves qui ont bien travaillé. Donc dans l'ensemble, vraiment, c'est un honneur pour moi, encadré par ma famille, mes amis, mes parents, mes frères qui sont autour de moi. Je les remercie tous. Je suis vraiment un homme comblé ce jour. Oui, l'appel trouve son sens dans l'effort du gouvernement sénégalais qui aujourd'hui a permis aux élèves de Linger de faire l'école préscolaire, la classe, le niveau préscolaire jusqu'au niveau de l'université sans sortir de la ville de Linger. Ça vraiment, je pense, c'est une, situation euh, auquel les jeunes de Linger devraient profiter. Parce que quand même, travailler dans un cadre calme, aussi convivial que celui de Linger. C'est un honneur, c'est un avantage euh, très déterminant dans la réussite des élèves. Donc aujourd'hui, moi qui suis passé ici, c'était très difficile à l'époque pour pouvoir réussir dans ces conditions-là. Mais aujourd'hui, les autorités, les parents, le système euh, scolaire, les, les autres autorités se sont organisées vraiment pour relever le niveau de l'enseignement. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour vraiment permettre les élèves de réussir dans, les, dans d'excellentes conditions. Et pour preuve, j'en ai pour preuve les, les, notes, les moyennes que nous avons entendues aussi. Donc c'est le, le, on est sur la dernière ligne droite, c'est d'encourager les jeunes, les mobiliser pour aller vraiment euh, shipper, comment dirais-je, euh, avoir de la meilleure des manières leur bac et ensuite solliciter les parents, les amis, les, tous les ressortissants de Diolof pour les encadrer pour des études supérieures. Pour dire que euh, vraiment, ce, sera un, un, objectif pour nous, les générations. Nous qui avons bénéficié de l'encadrement de nos parents, qui avons profité de l'expérience de nos aînés, nous devons nous réunir, créer un fonds de solidarité qui devrait nous permettre aujourd'hui de pouvoir préparer nos jeunes. Une fois les meilleurs résultats, qu'on leur permette de faire les meilleures études supérieures, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France. Je pense que ça, c'est mon rêve le plus ardent. Parce que quand même, pour la petite histoire, j'avais tout ce qu'il me fallait pour aller voyager. Mais malheureusement, faute de moyens, je n'ai pas pu le faire. Et pour moi, c'est un moyen de rendre grâce à Dieu. Pour savoir que Dieu m'a aidé, maag nous ma xam ñëpp ñu un fonds autonome de solidarité Nous xam que Linguère gi yëpp dañ koy gouverner avec transparence chaque année nous délibérons en français donc pour dire que chaque année on va se se réunir pour délibérer, pour choisir les meilleurs élèves que nous devrions accompagner euh, au, au, nom de la commune, au nom du département et au nom du Sénégal. Djerejef, euh, ginnaaw Bima Santé Yalla, yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi Wasallam, sallam gërëm suñuy wayjur ñi nga xam ne permettre aujourd'hui tey ñu ñu judd nekk fii dellusiwaat ci Linguère donc li ëpp solo ci nit mooy yar buñ la yaree ba paré bokkal la jangal la yalla sax daf né suñu borom subhanahu wa taala bala nga may jaamu fexé ma xam te pour nga xam ko foog nga dem jàng xam-xam dafa nekk le un pilier essentiel ci ci dundu doomu aadama donc tey mbégte la euh, ku juddoo Linguère màggee Linguère defee lépp lingère, tey xale yi Linguère autorités yi lycée bi ñëpp toog waxtaan diisoo jël comme parrain loolu nak dama ci sant yàlla à travers moi toute une génération ñi nga xamné ne nak ñom école ma doon tuddu légui ma gis ki Mouhamed Mandank Ndiaye mais tok si si ki bi ñu defandoo lepp fi donc vraiment pour man pèlerinage la et c'est un honneur te gis naa ne tey autorités def nañ tank yu ay djégo yu am solo ci éducation surtout ñun département de Linguère ou dans la commune de Linguère bo xamné ne njàngaan phénomène u njàngaan moo amaan boo mosaan euh, am benn niveau bi rek pour wara def collège dañ lay obligé andi la ci ville yu magui, mais actuellement xalé yi Linguère dinañ juddu ñu dugal len jardin d'enfants ñu def primaire def collège def lycée même université virtuelle sans sortir de la ville de Linguère pour man c'est une grande révolution loolu nag moom laay laay gis ne trop ci bis bi di sant samay waa waa lycée bi autorité yi ka ngank autorité administrative yi euh, corps professoral bi xale yi nga xam ne nangoo nañoo jàng na leen cadre bañ am résultat yu ñu am tey parce que li ma dégg wax deug yalla c'est des c'est des notes c'est des c'est des moyennes yu am solo donc man dama bég tay dama buma démé nak dina xol sama archive yi ndax man bama ci tollu manon na li wa wax deug yalla kontaan naa trop donc c'est le mm, occasion la aussi pour remercier ñi nga xam ne nañ ma ci bis bi autorité yépp ñëw nañ té tay tam nékkon bis bu am solo pour ñun euh, wa Linguère parce que suñu ministre daf fi ñëw ñu waroon xey di def set setal ñun ñëpp ñu mobiliser xalé yi am yar ami teggin xaar ñu ñu def loolu nga xam ne ndigalu président la ànd ko ànd ak autorités yi fi nekk yëpp ñu nekk benn bloc liggéey ci liggéey bu mucc ayib bañ paree ci loolu ñu ñëw nag fekk leen fii di leen sargal kon nag man je suis un homme ku am mbégte laa tey sant naa leen gërëm naa leen yàlla na leen yàlla fay ku nekk ñëw fi tànk yi nga ñëwee yàlla ci yàlla def barke maa ngi gis samay grand frère ñoom Mor Ali Sidi Albouri Ndiaye Ali Ba sama brad droit tout le monde ku ku lim juum waaw mbaa matal mais sant naa ñëpp fàttewuma kenn

Nous kenn ku def la nga man un fonds de solidarité boo xam ne xale bu ci def lu mu ayib génn ba euh, fes ñu fexe dimbale la études supérieures yu baax ngir jëriñu réew mi ngir njëriñu vraiment loolu dafa nekk sama sama bëgg-bëgg mais aussi ay action citoyenne à l'intérieur de cette enceinte lan lañ mën a def abri boo xam bu pause entre interclasse war une heure de temps pour defaat cours war nañ mën a nekk fenn foo xam ne dina dina am ker xaw sedd ci ñoom ñu mën a liir seeni i pour que heure bi jotaat ñu bañ di divaguer di un peu di moytu tali bi yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne dinañ ci ànd ak ak kilifa yi pour waxtaan pour jéem a wut solution parce que gouvernement bi ñu toll nii don de soi kenn ku ne bul xaar kenn kenn ku ne la nga mën nga def ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp